c'est vrai que dañ nekk ci jamono ji nga xamante ni li ëpp solo mooy li ci suñu kanam sénégalais yëpp am ci taxawaay di xeex pour euh, aar suñu démocratie aar li nga xamante ni loolu moo màggal Sénégal euh, ca bitim réew boobu ba tey muy taaral Sénégal fépp fuñ jëm ci àdduna ñun ay doomu Sénégal ñu koy bàkkoo mooy vitrine démocratie bi nga xamante ni dañ koy bàkkee Sénégal tey loolu moo nekk enjeu tey nguuru Macky sàll loolu la bëgg gàkkal waaye nag peuple sénégalais taxaw temm ne loolu du fi amee di xeex pour que loolu mu bañ a am ñu ciy nekk c'est vrai que tey loolu la mais je pense quand même que il est important euh, euh, de dire merci jërëjëfal sénégalais yépp yi nga xamante ni euh, naqarlu nañu euh, sama arrestation gis nañu ci circonstances yi mu amee euh, gis nañu lépp li ci xew et puis euh, bépp sénégalais bi nga xamante ni euh, justice moom moo ko soxal ak dëgg moo ko soxal euh, et puis naqarlu aussi toutes les détentions arbitraires des détenus politiques yi nga xamante que ce soit à Rebus ou bien dans les autres prisons du Sénégal ñu ngi ñu ngi woon foofu. di aussi mais vraiment au niveau national et international toutes les organisations d'ailleurs am na benn. Euh, amna ben ben déclaration forte bi nga xamanteni euh, sans personnalité organisation activiste ay journalistes sénégalais euh, ay militants des droits de l'homme du Sénégal d'Afrique et du monde entier signé won nañ pour exiger ma libération mais en même temps pour exiger la libération de tous les détenus politiques Je ngi citer parce que dañu mais euh, ils se reconnaîtront tous à travers remercie yi nga profiter de l'occasion aussi pour dire que libération c'est l'arbre qui cache la forêt il y a encore beaucoup de détenus politiques surtout les plus anonymes j'ai une pensée pour euh, un jeune qui vient de m'appeler d'ailleurs euh, euh, que, j'ai connu euh, à Rebus et qui s'appelle Abdulaziz euh, qui a été arrêté. Et pour l'histoire, Abdulaziz chargé Yunuko, terroriste, RPG. RPG arme même ci l'armée armée bi ñi koy ñi doole ci militaire yi yor RPG mais waa ji bi bi bi bi GIGN c'est-à-dire corps d'élite euh, état bi mu demee jëli ko ay camion ay huit camions ñu rangale ko ñu ñëw dajji buntu këram dugg fekk mu nekk ci ay nelaw dajji ibbi néegam bi ñu ñëwee rek mu tëb ci nelaw rek di toxoñ bët yi quoi ñu ne ko Abdoul Aziz Goudiaby mu ne leen man la ñu ne ko yow la mu ne leen waaw ñu jël butéelu ndox jox ko ne ko naana mi sax moo ko ëpp donc il y en a des centaines comme ça ay jeunes qui xamante ni xamuñu lu leen yóbbu rëbës ñu ngi foofu teg leen ay charges grave donc am na ay libération yu commencé mais il faut que ces libérations se poursuivent je pense aussi à Bayna Gueye ci ay affaire u tàppale ñu ne ay xawma dafa doon dem taal yi kër Barthélemy Dias bi nga xamante ni dëkkandoom la ñoom ñoo nekkandoo foofu seeni famille ñu jaxasoo ñu xamante tey ñu ngi ko téy rëbës boobu ba tey je pense aussi à Ousmane Sarr de nitu dëgg Hein? Je pense à beaucoup d'autres qui sont actuellement à Rebus. Donc, euh, exiger à ce que nous libérions les Nyom Tamé et, et, et, sans condition. Donc, si je fais une note, je vais dire lire en français la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Voilà, après, vous euh, ma ci jógee dinaa jox kaddu gi euh, Senghane Senghor aussi mu am lu mu ci indi et puis euh, jox kaddu aussi maître Abdoulaye Tine et il faut dire que conférence de presse c'est vrai qu'il y a un contexte général sur la question des élections ak gàkkal bi nga xamante comme ni ma ko waxee Macky Sall mu ko bëgg suñu démocratie ci mbirum élection yi nga xamante daf ko toxal violer constitution du Sénégal perpétrer ce coup d'état constitutionnel malgré injonction au conseil constitutionnel nous muy persister persister dans ce coup d'état là am na bi ci am ñun ñep ak d'autres acteurs am na buñ ci am dina ci am ay mais attaquer aujourd'hui par une question non moins importante bo xamanteni faut que ñu jox ko ñu que ñu koy wax di ci mais dañ ci war taxaw parce que dafa am solo amnistie bi ñuy wax ndax ci ay jamono ci kanam bu ngeen xoolee am na benn bima bi ma jibaloon à partir de Rebeuss fekk na maa ci kaso bi fekk ñu ngi koy rumandaat mu am ñi ma jotoon téléphone ci mbir et tout de suite j'ai fait une note pour dire que sama libération que ce ne sera pas au prix de l'effacement des crimes et exactions commises au Sénégal de 2021 à maintenant c'est vrai kaso gi metti na lool kaso gi xat na kaso gi metti na 4 mois 5 mois 6 mois 1 an waaye bu ñu fay génn dañ fa war a génnee ni mu ndax on a été détenu arbitrairement ñu ngi woon ci kaso bi on avait la tête haute on avait le moral on faisait du sport on faisait d'autres choses bëgg nañ génn lool fekki suñuy njaboot waaye it dafa war a doon ci dëkk dafa war a de la façon la plus haute mais pas au au gré d'une amnistie bi nga xamante crimes yu ñu fi def ba près de 100 morts ak yooyu day tax ñu effacer ko loolu moo waral sous une conférence de presse puis moom lañ koy attaqué principalement et pour dire que le mouvement Yanamar remercie la presse qui a bien voulu répondre aussi massivement à son invitation dans ce contexte d'absence de lisibilité installée par le président Macky Sall dont le mandat arrive à terme le 2 avril 2024. Et au, moment où le peuple sénégalais lutte vaillamment contre le coup un coup d'État constitutionnel, voilà que le même Macky Sall, au prétexte d'un prétendu pardon et réconciliation nationale, a décidé lors d'un énième simulacre de dialogue national qu'il a organisé les 26 et 27 février 2024 de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie générale dont l'objectif est d'effacer les crimes et délits commis de 2021 à 2024. D'ailleurs, le texte a été déjà adopté en Conseil des ministres et il doit passer euh, en mode fast-track euh, à l'Assemblée nationale, en tout cas le projet de loi. Cette décision inattendue, non concertée et inopportune, prise à la surprise générale, est systématiquement rejetée par les, les familles des victimes, les personnes détenues arbitrairement et tous les citoyens soucieux de justice. Dans son principe, l'amnistie est débattue en doctrine car certains considèrent qu'elle est démagogique, dangereuse et susceptible même de violer le droit à l'égalité des citoyens ainsi que le droit à une justice équitable au plan international, une loi d'amnistie qui jette une ombre sur des événements vécus au Sénégal entre juin 2021 et 2024 viole les articles 7 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies du 16 décembre 1966 euh, et l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 dans la mesure où l'État du Sénégal refuse aux victimes le droit d'être entendues et jugées conformément aux engagements internationaux et aux lois internes du Sénégal. Dans ses, observations finales concernant le cinquième rapport périodique publié le 7 novembre 2019, suite à l'examen du Sénégal, le comité des droits de l'homme des Nations Unies rappelle à l'État du Sénégal que taire les rancœurs apaiser, les rancœurs, apaiser les esprits et asseoir un dialogue durable ne peuvent justifier le vote d'une loi d'amnistie. Ça, c'est les Nations Unies qui l'ont dit à l'État du Sénégal. Yanama rappelle qu'aucune loi d'amnistie ne peut absoudre les crimes internationaux, notamment la torture, les traitements cruels et dégradants qui sont aussi imprescriptibles. Fidèle à ses idéaux fondatrices, le mouvement Yanamar dénonce cette façon de faire de la politique consistant à bâillonner, à jeter en prison d'honnêtes citoyens dans des conditions inhumaines et à refuser d'ouvrir des enquêtes pour clarifier les décès de dizaines de citoyens et finir par jouer au sapeur pompiers Oui, le monde entier est témoin des graves violations des droits de l'homme et abus occasionnés par des arrestations, des rafles systématiques, brimades et meurtres à travers tout le pays depuis trois ans. Des, des manifestants non armés ont été abattus de sang-froid au grand jour. D'autres ayant subi des blessures graves se retrouvent handicapés à jamais. Que dire des cas de torture dont le symbole le plus parlant est le jeune militant Pape Abdoulaye Touré Et comme si cela ne suffisait pas, près d'un millier de citoyens ont été arrêtés et jetés en prison à Dakar et partout au Sénégal, sans aucun fondement légal car les charges ont été montées de toutes pièces par un mécanisme de banditisme d'État. Nous en parlons beaucoup moins, mais la condition des détenus politiques, c'est-à-dire ceux qui ont été victimes de détention arbitraire, est un drame national. Je sais de quoi je parle, parce que je fais partie de ces victimes qui ont été emprisonnées. J'ai fait 4 mois et 10 jours à la maison d'arrêt de Robes. Et beaucoup parmi les prisonniers politiques traîneront à jamais les séquelles physiques et psychologiques de leur séjour carcéral. C'est tout cela que la loi d'amnistie de Macky Sall compte nettoyer. C'est pourquoi Yann Amar se dresse contre ce projet funeste et appelle les Sénégalais à se mobiliser pour son échec, comme ils se mobilisent héroïquement actuellement contre le coup d'État constitutionnel. Le mouvement met en garde les députés qui se rendraient complices d'une telle forfaiture consistant à étouffer la poursuite des crimes graves et comportements graves contre le vote d'une quelconque, d'une quelconque loi d'amnistie. Si les autorités persistent à faire voter cette loi, nous nous engageons à travailler avec les organes des traités des Nations Unies et l'Union africaine pour ramener l'État du pour, pour amener le Sénégal à abroger cette loi dans les meilleurs délais. Et enfin, le mouvement Yanamar invite tous les candidats à l'élection présidentielle 2024 à prendre un engagement public à combattre ce projet de loi et à l'abroger au besoin car elle est unique et ses bénéficiaires encore inconnus sont autres que les Sénégalais. Ça va autrement que dans l'intérêt général du peuple sénégalais. Le loi def, loi Momo Koydini, fait à Dakar, le 1er mars 2024, le coordonnateur du mouvement Yanamar. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Euh, je propose que pour la partie Wolof, après petite question-réponse, avec les questions, je pourrais revenir en Wolof. C'est mieux, non voilà donc euh, sans plus tarder déjà damay le euh, maître Abdoulaye Tine bi nga maintenir ni euh, quitté na bu mais dafa amone ay difficulté ak ay yoon yi nga xamante ni dañ leen donc sans plus tarder damay jox kaddu bi Senghor un de nos invités à cette conférence de presse il est de la rencontre africaine de défense des droits de l'homme et il a beaucoup contribué à la préparation de cette conférence de presse mang koy